Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum euh, du studio Kalangou a pour thème Utilisation des pesticides chimiques de synthèse au Niger, avantages et inconvénients. Tantôt employés pour lutter contre les mauvaises herbes, euh, tantôt utilisés pour éliminer ennemis des cultures, les pesticides sont devenus presque incontournables dans les économies nationales agricoles des pays africains. Les principaux arguments qui militent en faveur de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture sont donc l'augmentation de la production d'une part et la réduction de la pénibilité du travail manuel d'autre part. Or, le recours aux pesticides présente un danger pour l'environnement et la biodiversité et fait planer une menace croissante sur la vie des humains et des animaux. En effet, euh, ces produits hautement toxiques et à la dangerosité avérée agissent aussi sur les organismes non cibles, polluent le sol au point de les rendre rendre stérile. L'usage des pesticides pose pour ainsi dire de sérieux problèmes de droits de l'homme et les principaux droits humains affectés sont le droit à l'environnement sain, le droit à l'alimentation, le droit à la santé et le droit à la vie. En effet, il n'est pas rare d'enregistrer dans les pays africains de drames liés à des cas d'intoxication aux pesticides chimiques de synthèse. Le Niger ne fait pas donc exception à cette règles. Avec nos invités, nous allons échanger sur l'importance de l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse, les risques et les inconvénients, mais aussi des conseils pour une meilleure utilisation de ces pesticides. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Gazobi Ibrahim, membre du syndicat national des agents de l'agriculture. Bonsoir Gazobi. Marou Amadou Bello, membre de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, Copagène. Bonsoir. Bonsoir Bello. Et Madame Noura Fatima Jibrilla, membre de l'Association nationale des de l'environnement. Bonsoir Noura Fatima. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On commence avec vous, Gazobi Ibrahim. L'utilisation des pesticides est devenue presque incontournable pour le Niger qui vient de lancer récemment le nouveau programme de grande irrigation. Que peut-on savoir au sujet des pesticides chimiques de synthèse Les pesticides chimiques, d'abord, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire C'est-à-dire il est bon et il est dangereux. Il est très bon pour les récoltes si on fait un bon usage et il est très dangereux pour l'environnement et l'être humain si on fait un mauvais usage. Donc c'est pour cela que j'ai dit c'est un mal nécessaire. Comment se fait l'utilisation de, de, ces pesticides euh, Utiliser un pesticide, vraiment, c'est pas comme ça. Il faut un savoir-faire. Il faut connaître comment même l'utiliser. Tu peux pas comme ça hein, prendre un pesticide et appliquer sans prendre toutes les précautions utiliser un pesticide, nécessairement, il faut que tu sois muni des EPI c'est quoi les EPI Les EPI, c'est des équipements à protection individuelle. C'est ça qu'on appelle EPI. Les gants, les masques. Les combinaisons. Et les combinaisons. C'est ça EPI. Et les bottes. Hmm. Sans ça, vraiment, tu ne peux pas utiliser un pesticide. C'est la première règle. Donc, euh, vous voyez. Mais il y a des profanes, ils l'utilisent comme ça. Sans masque, sans gants, sans combinaison, ils utilisent. Non seulement ça va nuire à l'environnement, ça va nuire à eux-mêmes, à leur santé. Il y a beaucoup d'inconvénients. On va en discuter. Euh, oui, mais à l'intérieur du pays, est-ce que nos producteurs savent manipuler euh, ces produits toxiques et dangereux En tout cas, tout producteur, s'il suit les normes, s'il fait référence à des spécialistes, dans chaque département, dans chaque village, vraiment, il y les départementaux, et les communaux, la protection des végétaux. Donc, si vraiment la personne, les utilisateurs, les manipulateurs, si vraiment ils prennent conseil, ils peuvent vraiment bien utiliser les pesticides. Mais s'ils ne prennent pas conseil auprès de ces gens-là aguerris qui ont étudié et qui connaissent les méfaits, les inconvénients et les avantages des pesticides, donc s'ils vraiment n'arrivent pas à prendre leurs conseils, ça serait encore très dangereux s'ils utilisent ça comme ça. Donc pour vous dire qu'à l'intérieur même, il y, a des il y a des services spécialisés pour vraiment référer les gens, pour conseiller les gens, pour montrer aux gens comment utiliser les pesticides. Mais est-ce que ces services-là sont consultés Bon, très rarement, ils partent, mais pas beaucoup vraiment, très rarement. Parce que tu as acquis, tu as acquis ton pesticide d'une manière informelle. Donc, euh, c'est-à-dire euh, pas par des voies légales. Pas par des voies légales tu es parti acheter toi-même sans te renseigner la toxicité, les doses, comment tu as pris ça par une voie illégale. Donc, euh, tu vas venir, tu serait impossible d'aller voir un technicien. Parce que le technicien, dès que tu apporte le pesticide, il va dire, le pesticide, là, tu as eu, ça où C'est parce qu'il y a un pesticide d'un pesticide. Il y a des pesticides homologués Homologués, c'est ça, La vente vraiment elle est autorisée. Et les pesticides non homologués. non homologués, c'est comme ça qui euh, dans les pays vraiment comme ça frauduleusement. Donc, vous voyez. Gazobi Ibrahim, selon un article de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain copagène et terre solidarité, le recours aux pesticides présente un danger pour l'environnement et la biodiversité et fait planer une menace croissante sur la vie des humains et des animaux. Quels sont les différents types de pesticides homologués disponibles sur nos marchés ici au Niger Bon, il y a toute une liste vraiment. Il y a toute une liste euh, de pesticides homologués. Ils sont nombreux vraiment. Ici, si je vais, je vais dresser la liste, la liste elle est longue. Ils existent quand même. Ils existent seulement, ils sont un peu chers. C'est pour cela leur accès est un peu difficile. Un peu cher Oui, ils sont chers. Euh, leur prix, la ça varie de 20 000 à aller en haut. Hmm. Alors que les, les non homologués, là, c'est moins de 15 000. C'est à moins de 15 000 que vous avez trouvé le litre. Donc c'est pour cela vraiment les gens se font toujours recours à ces pesticides-là non homologués. Gazobi Ibrahim, on utilise des pesticides pour protéger les cultures des insectes, des mauvaises arbres, des champignons et d'autres ennemis des cultures. Quels sont les pesticides non homologués qui se retrouvent sur le marché nigérien Généralement, c'est la plupart des pesticides dont sa vente même elle est interdite partout, même, pas au Niger. C'est ce qu'on appelle les pia-pia là, les DDT. Donc c'est ça pia-pia. Donc euh, c'est ça vraiment là où vraiment le danger est grave leur utilisation vraiment c'est interdit. Et c'est ça vraiment que nous ici maintenant au Niger on fait pas. C'est ça que vous pouvez trouver. Mais est-ce qu'il y a une loi qui encadre euh, ces, pesticides-là Il y a une loi, il y a une loi qui encadre ça. Mais seulement, vous savez comment l'être humain est. Il y a la loi, mais la personne fait ce qu'il veut, lui semble ce qui va la, la Si la loi vraiment ne va pas à ta faveur, tu vas l'oublier, tu vas chercher le raccourci. En cas euh, d'utilisation de pesticides non homologués, est-ce qu'il y a des risques qu'encourt la personne Le risque est énorme. Vous savez, le pesticide, là, il y a plusieurs arts. Il y a les fongicides, il y a les insecticides, il y a les herbicides. Tout ça, là, c'est vraiment des pesticides qu'on peut trouver un peu partout. Et il y a des homologués et il y a des non homologués. Le risque, vraiment, en cas de leur utilisation, tu as utilisé ça, tu ne sais pas le danger de toxicité qui peut vraiment attaquer, attaquer ta plante. Parce que même la plante, si tu as mal dosé, tu as utilisé vraiment pour que ta plante se débarrasse des insectes, mais tu as mal utilisé ça, ce que sur ta plante va se brûler. Donc, vous voyez là, l'effet n'est pas bon. L'objectif dont tu veux atteindre, tu peux jamais l'atteindre. Là, c'est un, un danger. Et pour l'être humain aussi, c'est pareil. Tu pulvérises ou bien tu mets ça, la personne aspire ça, c'est pas bon. Pour la santé. Pour la santé, humaine. Les risques, les est grave, il est énorme vraiment pour la santé humaine. Merci beaucoup, Gazobi Ibrahim. Nous allons revenir vers vous le temps de donner la parole à Marou Amadou Bello du Copagène. Marou Amadou Bello, selon l'Organisation mondiale pour la santé, un suivi régulier des résidus dans les aliments et l'environnement est aussi nécessaire. Quels sont les critères ou encore les conditions d'autorisation ou de commercialisation de ces produits phytosanitaires? Merci bien, merci aux auditeurs de Kalangu. D'abord, euh, le problème des pesticides, c'est un phénomène mondial. L'Afrique n'étant pas en reste, en souffre beaucoup. Donc il y a eu des, textes qui encadrent euh, l'utilisation de ces pesticides-là. Ici chez nous, c'est le comité sahélien des pesticides qui s'en charge, ce que venait de dire le SIG c'est eux que chaque année, euh, à leur niveau, que chaque année, on étudie les pesticides qui sont euh, autorisés à rentrer sur, dans notre espace, que ce soit l'espace CDAO, l'espace IMOA ou l'espace du SILS, qui se trouve être la cheville ouvrière en ce qui concerne les textes euh, dans notre espace, les textes liés à l'agriculture. Donc chez nous ici, tout ce qui est homologué par le Conseil sahélien de pesticides, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Homologué veut dire tout simplement que le produit est autorisé, à être utilisé et que les, effets, il n'y a pas de risque zéro, mais les effets sont moindres pour la, santé humaine. Donc au, niveau national, euh, nous avons des services une direction générale de protection des végétaux qui a ses démembrements à l'intérieur du pays qui s'occupe de l'encadrement de l'utilisation de ces produits-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de risques. Le risque est que, d'abord au Niger, euh, selon une étude de, de la Chambre d'agriculture du Niger, il y a presque plus de 241 produits pesticides en circulation sur le marché du Niger. Qui sont homologués ou non homologués euh, Parmi ces 241 produits utilisés, il y a seulement 16% qui sont homologués, environ 38 seulement qui sont homologués. Donc vous imaginez mais quelle est la provenance euh, de ces produits non homologués Avez-vous fait des études dans oui, ce domaine Oui, oui, En général, euh, c'est la frontière porose... poreuse on peut dire, du Nigeria, euh, qui rend ces produits disponibles. Je ne dis pas que ça vient seulement du Nigeria, mais c'est le, grand débouché d'entrée de ces genres de produits. Et c'est le marché sur lequel la plupart de nos producteurs se ravitaillent. Et donc, oui, mais est-ce que ces producteurs-là sont mieux encadrés Est-ce qu'il y a des ressources humaines à euh, qualifier disponibles au niveau de toutes les communes, euh, les villages pour encadrer les producteurs Bien sûr, les services de l'agriculture ont un bon maillage, mais maintenant la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quel est le degré de sollicitation de ce producteur-là auprès de, des services techniques compétents. Euh, aujourd'hui, les, conditions d'achat d'abord, les conditions de stockage, la qualité du produit, la qualité de l'encadrement, tout ça, ce n'est pas mis en jeu. Ce qui est mis en jeu, c'est juste l'efficacité éphémère par rapport à, l'activité de production euh, du moment qui est mise en jeu par le producteur. Donc c'est pour ça que même s'il y a l'encadrement, est-ce qu'il y a une adéquation de vision entre les encadreurs et le producteur Et c'est pour cela que nous, nous avons répondu avec plaisir à votre invitation pour qu'il y ait une prise de conscience, d'abord au niveau de producteurs, au niveau de consommateurs et au niveau de l'encadrement. Parce que l'encadrement, c'est quand même une responsabilité euh, régalienne qui leur revient en tant que ministère de l'Agriculture et en tant que technicien averti. Et les producteurs aussi, ça, ils doivent être euh, interpellés pour qu'ils prennent conscience qu'ils mettent leur vie en danger la vie des autres consommateurs en danger, l'environnement en danger. Autrement dit, ils compromettent même leur activité de production. À travers l'utilisation des pesticides non homologués. Oui, ils compromettent euh, l'avenir de leur euh, profession parce que quand on utilise des pesticides non homologués, à long terme, on risque de, de dégrader son environnement, de dégrader son, sa parcelle de culture et euh, cela va les amener même à un abandon de leur profession, sans compter euh, les dangers dans lesquels ils, ils plongent toute la communauté nationale, tant en termes de consommation qu'en termes de disponibilité des aliments de qualité. Marou Amadou Bello, selon toujours l'Organisation mondiale pour la santé, les pesticides font partie des premières causes de décès par l'auto-empoisonnement, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Existe-t-il des normes recommandées par l'OMS ou encore la FAO Bien sûr, nos États qui sont des États partis à, à toutes les conventions garantissant le droit euh, les questions de droits de l'homme, eh bien, il y a des normes. Il y a des normes en termes de qualité, il y a des normes en termes de disponibilité d'alimentation, et cela renvoie à la notion de, du droit à l'alimentation, du droit à la santé. Tout ça, c'est des textes qui sont encadrés, et les États partis se doivent d'abord de mettre des normes au niveau national en s'inspirant de, de, textes supranationaux euh, et ces textes-là existent bel et bien dans notre espace et surtout au Niger. Maintenant, la question qu'on va se poser, quel est le degré d'applicabilité de ces textes-là pour que les citoyens jouissent du droit à, un environnement sain, du droit à l'alimentation C'est là où la question se pose. Parce que d'abord, nous sommes des, des États très jeunes qui sont en construction. Une soixantaine d'années, ça ne suffit pas pour construire un État solide. Et deuxièmement, le niveau d'analphabétisme fait en sorte que la question de texte n'est pas tellement considérée au Niger. Et d'autre part, la question de la paupérisation des producteurs euh, fait en sorte que les gens pensent surtout à manger, pas à manger qualité. Très peu de, consommateurs sont avertis et du danger que peut provoquer une alimentation de mauvaise qualité. Merci beaucoup, Mourou Amadou Bello. Nous allons revenir vers vous. À présent, nous allons donner la parole à Madame Noura Fatima Gibrilla. Euh, Madame, on parle euh, des produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques pour euh, désigner les produits utilisés dans le domaine agricole et l'entretien des espaces. Quels sont les risques possibles liés à la mauvaise manipulation de ces produits donc, euh, je remercie le studio Kalangou euh, de nous avoir euh, appelés pour ce débat-là. Moi, je pense que les risques, on ne les connaît pas parce que les gens, par exemple, les gens ne sont pas sensibilisés. Tout à l'heure, mon collègue parlait des, des produits homologués ou autres. Est-ce que les paysans connaissent ces produits homologués-là il doit falloir faire la sensibilisation de ces producteurs. Donc, du coup, ils ne peuvent pas savoir la dangerosité de ces produits-là pour eux, comme euh, il, y a perte souvent des, cultures, donc euh, il faut tout faire afin de pouvoir éliminer ces ennemis de culture-là. Donc du coup, ils ne peut pas savoir quelle est la dangerosité de ces produits-là. Je peux donner un exemple. Allez-y. Il y a quelques années de cela, il y avait un monsieur qui venait de notre concession pour pouvoir traiter les moustiques. Le monsieur, là, il était gros, hein, mais par la suite, nous, on le voyait maigrir, euh, un jour là, j'avais demandé à mon mari, je lui ai dit, mais euh, le monsieur là, où il est celui qui nous traite Il m'a dit, ah, le monsieur là est décédé. Et il est décédé par suite des manipulations euh, qu'il faisait de ses produits. Des mauvais produits. Des mauvais produits dangereux. D'ailleurs, on ne peut pas savoir si c'est mauvais ou pas tant qu'on n'est pas sensibilisé. Donc, du coup, les, quand on part au niveau de ces conférences-là ou autres, eh, afin d'avoir donc des informations concernant les produits, puisqu'on adopte ces lois-là, on les adopte, mais on ne sensibilise pas les gens. Les gens ne sont pas informés du tout. Euh, les gens partent, ils reviennent et souvent c'est mis dans les tiroirs. Donc, on n'informe pas les gens puisqu'on est parti au titre euh, de ce pays-là. Donc de la population, il faut sensibiliser cette population-là, les informer et de ce qu'on est euh, allé euh, chercher. Et de retour, donc, il faut faire la restitution et sensibiliser. Tout à l'heure, là, mon camarade aussi disait que qu'au niveau hum, des villages, les gens prennent par exemple des produits qui leur, qui leur viennent du Nigeria. Oui, mais euh, Madame Noura, comment est-ce que l'État ou bien les techniciens à la matière peuvent-ils euh, sensibiliser les populations alors qu'ils ne savent pas les produits qu'ils utilisent Bon, comme il y a des produits homologués, ils peuvent aller vers ces populations, leur dire tel produit, par exemple le bégon, tout à l'heure, il a parlé du bégon, le pia-pia. Il est très dangereux, c'est même interdit dans les autres pays. mais, l'accès est facile. Oui, l'accès est facile. Vous voyez, euh, sur la route, vous voyez des gens en train de les vendre et à vil prix. Donc, euh, du coup, les gens achètent. Contrairement aux produits homologués, aux pesticides homologués. Qui, coûtent cher. Mais même s'ils coûtent cher, quand même, il y a des gens qui peuvent les acheter. Mais il faut les sensibiliser d'abord là-dessus. Donc, du coup, ça devient dangereux. Et donc, euh, leur vie, et la terre, les eaux, tout euh, va être contaminé. Et ça va entraîner donc la mort des personnes, des animaux. Par exemple, au Burkina, euh, bon, je, je, parle un peu ici des, des OGM, parce que les OGM, avec les OGM, il faut utiliser beaucoup de pesticides. Et on a vu quand euh, euh, le Burkina qui avait adopté les OGM à travers le coton biété, donc des animaux qui ont brouté les feuilles de ces potins-là sont décédés. Donc, du coup, vous voyez la dangerosité de souvent parfois. Il y a même les animaux aquatiques, tels que le poisson. Le poisson, oui, le poisson, donc les plantes, tout euh, la biodiversité en général. Madame Noura Fatima Gibrilla, les personnes qui répandent euh, des pesticides sur des cultures à leur domicile ou encore euh, dans les jardins, vous venez là d'évoquer un cas tout de suite, devraient être convenablement protégées. Comment se protéger et mettre à l'abri des tierces personnes comment se protéger Quand la personne même qui doit utiliser ne sait pas comment se protéger, donc comment peut-elle faire pour se protéger et, faire en sorte que les autres puissent se protéger Donc tout cela, là, c'est une question de sensibilisation en fait. Il n'y a pas de communication, donc comment peut-on se protéger euh, C'est à la va on fait. Les gens font, puisque euh, ventre affamé n'a point d'oreille, tu n'as pas de travail, tu trouves des produits là, ah, tiens, je vais aller acheter ces produits-là afin de pouvoir euh, euh, les vendre ou bien euh, faire le travail de, de, faire le travail dans les chaînes, les chaînes des gens. Je vais faire en sorte, moi, de pouvoir manger. Donc, du coup, en voulant manger, tu Il y a des risques on s'expose à beaucoup de risques. Madame Noura Fatima Jibrilla, s'agissant des produits phytopharmaceutiques, les experts ont répertorié environ 1000 substances actives différentes ayant été mises sur le marché, soit 100 à 150 groupes chimiques. Au Niger, quelles sont les conditions à remplir pour devenir un distributeur agréé dans le domaine des pesticides Là, je pense que cette question <laughs> doit revenir au syndicat. à, Gazobi <laughs> ah Ibrahim. Ah oui, à Gazobi. Gazobi Ibrahim, vous pouvez nous dire euh, les conditions à remplir pour devenir distributeur agréé Oui, oui, les conditions, c'est simple. Tout d'abord, il te faut un technicien. Un technicien qui, en la matière, un technicien de protection des végétaux. Et deuxièmement, il te faut un local. Le local, là, donc, il va être soumis à une inspection voir vraiment si c'est pas à côté d'un lieu de vente des choses vraiment consommables. Encore, il faut être inscrit sur le registre de commerce ou, ou avoir un NIF. Et après, il y a une quittance à payer. Donc vraiment, voilà les conditions. En cas euh, de manquement, quels sont les risques auxquels les personnes sont exposées Bon, en cas de manquement, si vraiment vous avez rempli toutes les conditions là, toutes ces conditions là, donc on va vous délivrer un agrément. Un agrément, c'est comme si c'est un contrat, il y a toutes les clauses. En cas de manquement, vraiment, voilà les sanctions qui seront infligées. Et en cas de non-respect encore de ce qui a été inclus dans l'agrément, là encore, voilà vraiment le risque que vous êtes là en train d'encourir. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. On va commencer avec vous, euh, Maru Amadou Bello euh, du Copagène. Selon les experts euh, du domaine, les populations rurales sont potentiellement exposées aux pesticides du fait de la proximité de leur lieu de résidence vis-à-vis des lieux d'application des pesticides. Comment sensibiliser les acteurs du domaine pour une meilleure utilisation des pesticides au Niger Merci bien. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est que il faut se mettre ensemble, notamment les institutions de l'État qui ont pour rôle régalien l'encadrement des producteurs ruraux, le ministère du Commerce, les acteurs de la société civile et les organisations de producteurs. Parce que l'encadrement de l'État a été affaibli dès lors que l'État s'est désengagé du financement et de l'encadrement au niveau de l'agriculture. Je pense que euh, y a eu beaucoup de mal euh, qui a été causé à ces secteurs-là. Aujourd'hui, il va falloir qu'on revienne à des meilleures pratiques. Parce que qui dit un bon encadrement d'un producteur dit une bonne production et une production de qualité. Donc nous ne pouvons pas réussir la formation, l'encadrement et l'information de producteurs tant que nous ne sommes pas ensemble il faut que les consommateurs, les producteurs, les organisations d'accompagnement, hein, les, institutions techniques, qu'on puisse parler un même langage et qu'on aille vers des actions concrètes sur le terrain, qu'au niveau de chaque commune, qu'il y ait des cahiers de charges au niveau du ministère de l'Agriculture, de ces encadreurs-là, et qu'au niveau de, de marché aussi, qu'il y ait des inspections des services compétents de contrôle de normes des produits mis en marché. Et c'est en cela seulement que nous pouvons réussir et en mettant en contribution des canaux comme Kalangu, comme d'autres médias pour aider à la prise de conscience. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que euh, les producteurs ne veulent pas agir, mais ils n'en connaissent pas. Donc pour cela, il y a des normes qui sont là. On doit respecter les normes mais il y a aussi une prise de conscience qu'il faut faire. Moro Amadou Bello, pourquoi l'État ne s'intéresse pas à la question de l'utilisation des pesticides En fait, à un certain moment, comme le, quand le débat a été porté au niveau le plus supérieur, au niveau hiérarchique de l'État le plus supérieur, le débat était que certains hommes politiques qui dirigeaient le pays avaient estimé que c'était un débat européen. Le débat de consommation. Le, débat autour de l'utilisation des pesticides Non, le débat autour même de, de la qualité de l'alimentation. Euh, parce que euh, les pesticides sont utilisés au niveau international pour produire et que nous, au Niger, nous faisons beaucoup de l'importation de l'alimentation. Donc, quand nous, on avait posé cette question-là d'avoir euh, vraiment un contrôle régulier de ceux qui rentrent sur notre pays en termes de, de produits de consommation. Bon, le euh, la réponse qui nous a été rétorquée, c'était que non, non, non, que on s'occupe seulement du fait qu'il faut que tout le monde mange. Eh bien, euh, le débat s'est crispé à ce niveau. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité parce que dans votre introduction, vous avez parlé de, du fait qu'il y a une stratégie nationale au niveau de l'agriculture aujourd'hui qui veut qu'on aille vers la production à haut rendement. Et qui dit la production à haut rendement dit aussi l'utilisation peut-être abusive même de ces pesticides-là. Donc nous, à notre entendement, ce qu'il faut faire, c'est que l'État doit avoir un œil en même temps qu'il a pour objectif de produire beaucoup pour satisfaire la, la, consommation nationale, il faut que l'État ait l'œil aussi pour produire quelque chose de qualité. Autrement dit, encadrer, bien encadrer l'utilisation de pesticides pour que on ne dispose pas d'une alimentation qui va encore poser un problème de santé publique. Aujourd'hui, nous avons un problème d'accès à l'alimentation compte tenu de la faiblesse de notre euh, production et compte tenu de, de quelques contingences euh, politiques que nous avons, nous ne pouvons pas satisfaire nos citoyens en produits de consommation, et eh bien que nous ayons les deux objectifs. L'objectif de produire beaucoup et l'objectif de produire qualité pour éviter un problème de santé publique. Moro Amadou Bello, aujourd'hui, est-ce que les pesticides homologués sont accessibles à la bourse du paysan moyen au Niger euh, Merci bien. Je pense que ce débat a été fait Effectivement, il y a un problème d'accessibilité. Parce qu'aujourd'hui, eh, la bourse est très faible. La bourse de producteurs à la base est très faible. Eh, les exploitations familiales ne donnent plus que des résultats escomptés. Vraiment, quand on fait les charges d'exploitation, euh, les paysans sont toujours en perte. Mais, est-ce que ce n'est pas ce qui explique la ruée des paysans vers les produits non homologués qui coûtent euh, moins cher euh, par rapport aux autres produits homologués Bien, sûr, c'est un des facteurs. Maintenant, pour solutionner cela, il faut que l'État fasse une inscription conséquente pour les pesticides et pour les produits et les outils d'agriculture en général parce que vous avez entendu le débat qu'il y a au niveau de Caïman, de, certaines institutions qui s'occupent de ces équipements et de ces produits agricoles, phytosanitaires. Il va falloir que l'État investisse dans l'agriculture et dans tous les produits qui accompagnent la production agricole de façon conséquente. Quand je dis de façon conséquente, lorsque l'État ne met pas l'argent, le budget qu'il faut, eh bien, les, euh, nous estimons que les producteurs sont laissés à eux-mêmes eux aussi vont utiliser, eh, excusez-moi du terme, n'importe quel produit pour produire du n'importe quoi et mettre le marché des produits de moindre, sur le marché des produits de moindre qualité et mettre en danger l'ensemble du public de consommateurs que nous avons sur notre territoire. Donc l'État doit vraiment jouer son rôle. Euh, lorsque les, les, producteurs ne sont pas en mesure d'acquérir ce produit-là, ces produits doivent être subventionnés par l'État pour qu'il soit accessible. L'État doit accompagner les producteurs jusqu'à un moment, jusqu'à arriver à un moment où ces exploitations familiales peuvent fonctionner d'elles-mêmes. Et en ce moment, l'État peut imaginer son retrait. Merci beaucoup, Marou Amadou Bello, Madame Noura Fatima Jibrilla des travaux disponibles témoignent aujourd'hui d'une présence généralisée de résidus de pesticides dans l'environnement, l'eau, l'air, le sol, euh, les denrées alimentaires. Que faire pour mieux protéger les populations et les riverains de ces lieux dépendants de ces pesticides. Donc, euh, je pense que pour mieux protéger ces populations-là, il faut qu'il y ait sensibilisation d'abord des riverains, sensibilisation de euh, ceux qui utilisent les pesticides-là. Tout à l'heure, vous parliez des produits homologués ou autres. Mais lui, le paysan, il ne sait pas si les produits sont homologués ou pas. Ils ne connaissent pas ceux qui sont homologués, ils ne connaissent pas ceux qui ne sont pas homologués. Et pour eux, ils prennent du tout venant, c'est pour pouvoir euh, faire leur production comme il faut. Donc, du coup, vraiment, il faut qu'il y ait une euh, sensibilisation énorme. Tout à l'heure, Belle parlait de l'investissement de l'État. C'est dommage dans ce pays-là. Même si l'État investit, les gens détournent. C'est aussi un problème. C'est un très gros problème. Et il va falloir. Ou bien, ou bien les opérateurs économiques n'amènent pas de bons produits, des produits homologués. Mais comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle. On le dit, on place des postes de contrôle. Mais malheureusement, le contrôle n'y est pas. Je peux te donner un exemple. Allez-y. Une année là, en 2011, je partais en Suisse pour la caravane des semences au titre de la Copagène, puisque Ansen est membre de Copagène. Je suis la secrétaire à l'information de Copagène Niger. Donc, euh, on, avait acheté des produits des semences, puisqu'on devrait amener des semences pour l'exposition. Euh, donc, du coup, quand on avait euh, acheté au niveau, du, au niveau de l'INRAN, je profite d'ailleurs pour dire que le, au niveau de l'INRAN, le kilogramme qui coûte 1000 francs, ce n'est pas n'importe quel paysan qui peut acheter donc ces semences-là. Donc c'est un peu cher pour eux. Donc du coup, euh, quand on a acheté nos produits, là, on était parti à la protection des végétaux pour avoir les papiers. Et du coup, on nous a dirigés vers le nouveau marché. Chez quelqu'un là, c'est dans un kiosque. Hein. Le monsieur, il vendait ses lémoires et tout, et tout. Donc c'est lui qui a signé, qui nous a donné des papiers. Et arrivé à l'aéroport de Niamey, on ne m'a même pas demandé les papiers, on ne m'a même pas demandé où vous allez avec ces semences-là. Euh, où sont les papiers, on n'a rien demandé. Donc, du coup, c'est contrôle zéro. Donc, quand il y a selon, selon vous, il va falloir mettre un accent particulier sur le contrôle Oui, il faut mettre un accent particulier sur le contrôle. Sinon, c'est du tout venant qu'on va amener dans ce pays-là, que ce soit euh, au niveau des, des, des postes de, frontières, euh, ou bien au niveau de l'aéroport. Vraiment, il faut sévir. Si on ne sévit pas, vraiment, c'est du tout venant qu'on va amener dans, ce pays -là, dans ce pays-là plutôt. Et c'est la population qui va en pâtir, qui est en train d'en pâtir d'abord. Il faut aussi vraiment forcer sur la sensibilisation. Du coup, nous, ce qu'on a préconisé au niveau de l'enseignement, comme nous intervenons en milieu scolaire, en éducation environnementale, vraiment, je pense que euh, euh, on peut introduire euh, cette situation-là au niveau de, notre, de nos programmes d'éducation environnementale. si les plus petits sont sensibilisés sur la question, ils peuvent sensibiliser leurs parents, donc les adultes, puisque c'est eux qui seront les adultes du demain. Donc, vraiment, il faut qu'ils soient mis là-dedans et c'est à eux de sensibiliser donc les, les grands. Merci beaucoup, Madame Noura Fatima Jibrilla. Gazobi Ibrahim, les acteurs du domaine des pesticides se rappellent encore de l'affaire du groupe Monsanto qui a été condamné le 18 décembre dernier aux États-Unis à verser 857 millions de dollars de dommages et intérêts à des élèves et des parents bénévoles d'une école exposée à des substances hautement toxiques et très persistantes qualifiées de polluants éternels. Comment éviter ou prévenir de tels drames ici au Niger Tout d'abord, vraiment pour éviter ces actes du drame-là, il faut vraiment une prise de conscience. Il y a aussi cette affaire du drame du glyphosate. Mhm. Et aussi, il faut beaucoup sensibiliser. C'est la sensibilisation vraiment qui peut vraiment parler vraiment à certains manquements. Le manquement vraiment, ça y arrive mais est-ce que les populations sont conscientes euh, de la dangerosité euh, de, certains pesticides Oui, la population, elle est consciente, mais elle fait semblant comme si elle n'est pas consciente. Parce que je me suis dit, tu ne peux pas rentrer dans une activité tu, vas te mettre dans une activité sans connaître vraiment les dangers, les inconvénients pour vraiment pour cette activité-là puisqu'on ne peut pas t'autoriser à exercer encore ce métier-là tant que vraiment il y a beaucoup d'études. Il y a déjà des bureaux d'études d'impact environnemental et sanitaire. Donc, vous voyez, là, ces actes de bureau-là, elles s'occupent vraiment de tout ce qui a trait à la pollution. Donc, si vraiment la population est consciente de l'existence de toutes ces structures-là, vraiment, le danger, peut-être ça va être un peu minimisé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'ingénieurs. Et, les riverains qui subissent euh, quand même euh, les conséquences de l'utilisation des pesticides non homologués. Oui, tout ça là vraiment, c'est des, tout ça là, ce qui amène ça, c'est des, vous savez, je, l'ai toujours dit, tu peux pas rentrer dans une vraiment profession sans connaître euh, vraiment les dangers même qui existent dans cette profession là. Donc c'est ce qui fait que maintenant tu vas voir la personne il peut venir, il va faire son traitement, l'emballage là, il va le jeter. Donc, vous voyez, si c'est à côté de l'eau qu'il avait jeté, à côté du fleuve, donc tu vois, du coup, c'est que y aura un peu des résidus. Les résidus, là, vraiment, ça peut contaminer cette eau-là. Et vous voyez, un riverain, lui, il y a même les eaux de ruissellement. Voilà, les eaux de tout ça, là, ça peut contaminer l'eau, là. Et là, c'est un danger pour tout être humain ou même animal qui peut vraiment, qui utilise cette eau-là. Donc euh, c'est la sensibilisation. Il faut bien sensibiliser. Il faut vraiment être euh, vraiment bien doué de cette profession-là. Sinon, l'État fait de son mieux. Je pense bien pour l'introduction de chaque pesticide, à au niveau de chaque euh, frontière des postes de contrôle phytosanitaire, le PCP. mais est-ce que les agents font leur travail Bon, ils font de leur mieux. On peut pas. Être... Malgré, tout, il y a. Oui, il y a. des voies de contournement. Il y a les produits euh, non homologués qui se retrouvent euh, sur euh, nos marchés. Bon, vous savez, nos frontières sont tellement ouvertes qu'il y a beaucoup de raccourcis. Donc, la personne vraiment, il peut un peu contourner à la vigilance des agents là qui peuvent vraiment peut-être même lui dire, l'expliquer les inconvénients vraiment de ces pesticides là non homologués. Mais si vraiment la personne euh, dévie la voie là, vraiment, elle va contaminer la population et elle va mettre le peuple en danger. L'État aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de, comme Madame a dit, il y a beaucoup de laisser aller. Moi, je ne peux pas comprendre, on donne des autorisations à des gens de délivrer vraiment des certificats d'introduction, tout ça là, ou bien de sortie d'un pesticide oui, mais est-ce que pour amener euh, des pesticides au Niger, on a besoin euh, d'autorisation Oui, on a besoin d'autorisation. Il y a des autorisations. Vous avez tout le monde est au courant, vraiment, vous voyez, des pesticides là qui ont fait beaucoup de bruit ici au Niger. Oui, ça, c'est l'État même qui a donné le marché là. Et malheureusement, au lieu que ce soit des pesticides, c'est autre chose. Donc, même si l'État même se met en erreur, vous voyez, il va de soi que vraiment même euh, les producteurs et les commerçants eux aussi commettent les mêmes erreurs. Donc, vraiment, je, je l'ai dit et je le répète, il nous faut une prise de conscience totale vraiment pour parler vraiment à des manquements. Merci beaucoup Ibrahima Gazobi. Euh, Madame Noura Fatima Gibrila, l'OMS et la FAO ont mis au point conjointement le Code de conduite internationale sur la gestion des pesticides. Le Niger est-il dans cette dynamique Je ne veux pas vous dire si le Niger est dans la dynamique ou pas. Euh, le problème en est que euh, normalement, c'est au niveau du pays. Chaque pays est libre de choisir, de rédiger les documents qu'il veut afin de les faire aller en haut, donc au niveau sous-régional ou régional, ou même au niveau international. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se fait au lieu que nous, nous choisissons, nous euh, écrivons ce que nous voulons, c'est d'en haut qu'on nous fasse tomber donc, euh, de ces solutions-là. Que ça soit bon ou pas pour nous, donc on prend. Alors que normalement, on doit décider de ce que nous devrons prendre ou pas. Tout à l'heure, vous parliez de Monsanto. Mm-hmm. L'affaire Monsanto, Monsanto aux États-Unis. Je vous informe que Monsanto est l'un des plus gros fournisseurs des OGM. Et Monsanto, je suis même étonné qu'on n'ait plus le, le conseil, car chaque année, c'est plus d'un milliard de dollars qu'ils investissent avec euh, leurs avocats et tout, afin de pouvoir contourner. Pour la défense de leurs produits. Pour la défense de leurs produits, pour la défense de ce qu'ils font. Donc plus d'un milliard de dollars. Donc du coup, vous voyez que c'est impossible souvent de pouvoir les conseiller. À plus forte raison ici chez nous au Niger, donc les gens font ce qu'ils veulent. ils, amènent des produits prohibés, même s'il y a des documents, euh, si on doit choisir des gens qui doivent faire cela. Tout à l'heure, il disait que nos États, nos États ne font pas de contrôle, eux-mêmes, ils font des erreurs. Donc quand les dirigeants eux-mêmes font des erreurs, ils prennent du tout venant, par exemple, quelqu'un qui n'est pas, euh, pas fort dans la chose, pour lui donner le marché. Donc, comme c'est le PAC qui prédomine dans ce pays-là, parents, amis et connaissances, donc euh, on va avoir du tout venant. Donc, il faut qu'il y ait ce contrôle-là. Peut-être maintenant, avec euh, euh, un régime fort, peut-être que cela va changer. Nous osons espérer que cela puisse changer. Donc, il faut qu'on mette vraiment le point sur la table afin que ces euh, manières néfastes-là ne subsistent pas. Merci beaucoup, Madame Noura euh, Fatima. Euh, Mauro Amadou Bello, rapidement, en 10 secondes, quelles sont vos propositions, conseils ou recommandations à l'État, rapidement Merci bien. Donc, nos conseils pour diminuer l'utilisation les, de pesticides dans l'agriculture, c'est d'abord d'aller vers la transition agroécologique nous pensons que dans la politique nationale ou la future stratégie nationale agricole, il va falloir qu'on adopte l'agroécologie comme étant une alternative crédible à l'utilisation massive et abusive des pesticides dans l'agriculture. Euh, cela nous demande euh, vraiment moins de choses et cela va avec nos savoir-faire et cela est possible si l'État euh, s'y met on peut même faire une loi euh, de l'agroécologie pour vraiment euh, euh, avoir de, un peu de l'espoir de maîtriser ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir, malgré l'existence des lois qui encadrent l'utilisation, la commercialisation, le stockage des pesticides, beaucoup reste encore à faire. Donc l'État est appelé à avoir un regardant au sujet du contrôle, l'utilisation et la commercialisation des pesticides au Niger. Merci à nos invités, Gazobi Ibrahim. Euh, membre du syndicat national des agents de l'agriculture, Marou Amadou Bello, membre de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène, et Madame Noura Fatima Gibrilla, membre de l'Association nationale des scouts de l'environnement. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali Merci, à bientôt.